le forum du forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du forum, Bienvenue à tous dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, une émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Suite du Forum d'Agadez portant sur le thème Migration et sécurité à Agadez, difficultés et solutions. Quels sont les principaux défis que pose la migration à Agadez Quelle est l'ampleur de l'insécurité dans la ville et au-delà de la région d'Agadez Quels sont les principaux facteurs d'insécurité comment y remédier Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous nous entretenons ce soir avec El Taher Adamou, secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, Boutali Chiwaren, membre du comité de paix d'Agadez et Hajia Zara El Haj Mamadou, dite Alitan, présidente de l'Association des femmes pour la lutte contre la guerre, Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation. Bienvenue à tous dans le forum du studio Kalangou de ce soir, situé à plus de 900 km de Niamey. Agadez se trouve entre le Sahara et le Sahel. Agadez, est une vaste région d'environ 667 799 km de superficie. Elle fait frontière avec l'Algérie et la Libye. Certains n'hésitent pas à appeler Agadez carrefour ou plaque tournante de la migration, du fait qu'une grande partie des candidats à la migration vers l'Europe passent par là. Ces dernières années, la région a connu des bouleversements importants allant de la criminalisation du transport des migrants, de la fermeture de certains sites orifères. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous commençons avec vous, monsieur le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, Tahir Adamou. Comment vous décrivez la situation sécuritaire de la région d'Agadez Comme vous le savez, Agadez, ça fait plus de la moitié du territoire du pays. Agadez euh, a une très longue frontière avec la Libye, le Tchad, l'Algérie et le Mali. Donc euh, vous comprendrez aisément à travers les difficultés pas liées, euh, comme on dit, à la zone, notamment c'est une zone de montagne, c'est une zone désertique à l'est aussi. Donc euh, vous voyez l'ensemble des contraintes physiques déjà auxquelles nous, nous faisons face actuellement. Donc pour ce qui est de la sécurité, effectivement, nous avons depuis quand même la dislocation de la Libye nous avons des difficultés à travers notamment la prolifération des armes, des actes de banditisme, euh, la grande délinquance, toutes choses qui concourent en tout cas à mettre en mal la sécurité au niveau de notre région. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont propres à nous autres euh, en tant que euh, Nigériens, c'est vrai, parce que les phénomènes par exemple de coupure de route, c'est une activité de nos propres frères euh, de des ressortissants, en tout cas du pays et même. Mais les choses se compliquent justement avec ce mouvement de migration, immigration interne, immigration aussi de nos frères ouest-africains qui depuis un certain temps, en tout cas, ils font la région d'Agadez avant d'aller vers la Libye ou l'Algérie. Donc, euh, c'est pour vous dire qu'en tout cas, il y a beaucoup de contraintes qui sont là. Mais force est de constater que euh, les autorités de la section publique, continuent à déployer des efforts pour que le calme et la sécurité et la sérénité puissent prévaloir au, niveau de notre région d'Agadez. Il n'y a pas si longtemps, des attaques ont été perpétrées dans le Sahara par des hommes lourdement armés. Qu'en dites-vous de cela et qui sont-ils Nous avons des frontières difficiles à contrôler. C'est une réalité, il faut qu'on se le dise. Donc, euh, ces frontières-là sont encore longues, elles sont vastes, elles sont grandes et elles sont désertiques. Euh, il va s'indiquer dire qu'effectivement, on peut avoir des incursions, n'est-ce pas, des bandits armés, de toutes sortes de trafiquants, n'est-ce pas, qui trouvent leur compte, n'est-ce pas, dans cette anarchie qui prévaut actuellement dans certaines de nos frontières. Voilà, c'est en cela que vous rencontrez fréquemment ce genre de cas de figure où il peut y avoir effectivement des incursions, n'est-ce pas, des bandits armés en territoire nigérien. Par rapport aux mesures sécuritaires, Monsieur le Secrétaire général, nous avons remarqué que les sorties et les entrées d'Agadez sont restreintes le soir. Quel est l'objectif Il y a des mesures que nous avons arrêtées d'un commun accord avec euh, le gouvernement de la région d'Etawa. Des mesures qui font que, par exemple, à partir de 17h, nous n'acceptons pas, en tout cas, à ce que les gens bougent que ce soit en partance pour Tawa ou même à l'intérieur de la région d'Agadez. En fait, c'est des mesures, c'est juste des simples précautions sécuritaires pour préserver les biens, en tout cas, et la vie humaine. Parlons de la migration, monsieur le secrétaire général. Agadez, carrefour de la migration. Qu'est-ce qui fait cela et où est-ce que nous en sommes Vous savez, traditionnellement, Agadez est une ville de migration. Agadez, vous retrouvez les mêmes architectures, par exemple, que des villes comme Gat au niveau de l'Algérie. Agadez a toujours été un centre de migration, un carrefour. Et cette migration-là, comme ça s'est passé, passé auparavant, elle ne dérangeait personne. Tout simplement parce que c'est une migration, n'est-ce pas, qui se faisait à travers, euh, les trafics se faisait à travers des grands camions où vous allez voir à la fois les humains, les animaux et toutes sortes de marchandises. Ça ne dérangeait personne parce que l'ensemble des véhicules qui s'adonnent à ce trafic-là, à ce trafic-là, sont, comment on dit, ont des titres de transport. Donc, c'est des sociétés de transport localement, qui sont locales, mais qui ont un titre de transport national. Donc elle exerce l'activité dans une parfaite légalité. Le phénomène a changé quand c'est des petits véhicules qu'on appelle couramment ilix, n'est-ce pas, qui s'adonnent à cette activité de migration. Alors ceux-ci-là, ils n'ont pas de titre de transport. Et ils transportent le plus souvent euh, tous ceux qui ressentent ouest africains Et ce phénomène nous est apparu, en tout cas après la dislocation justement, ou bien après le problème qui a prévalu à Libye. Donc, euh, et cette migration-là, de la façon dont elle s'est passée, c'est vraiment beaucoup de hommes à la fois, n'est-ce pas, qui s'adonnent à ce mouvement-là vers la Libye. Et de l'autre côté aussi, il n'y a pas de précaution, n'est-ce pas, pour préserver les vies humaines. Parce que vous savez, les déserts, à certains moments, c'est vraiment difficile d'accès. Et c'est difficile pour une vie humaine, en tout cas. Et une fois égarés, ces transporteurs-là, ils essaient de larguer n'importe où, n'est-ce pas, euh, ces migrants. Donc en dehors de cela, vous allez constater qu'ils transportent en tout cas beaucoup de choses prohibées. Et au retour, il n'est pas, euh, dit, étonnant de constater que c'est des hommes qui rentrent en territoire nigérien. Par rapport à la migration, toujours, depuis l'avènement de la loi 2015-036 qui criminalise le transport des migrants, beaucoup de jeunes de la région se sont retrouvés soit au chômage, ou en prison. Qu'en pensez-vous de ces conséquences D'abord, il faut noter que la loi 2015-36, c'est une loi nationale. Contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas une loi pour la région d'Agadez. On ne peut pas avoir une loi Agadez, n'est-ce pas, qui serait différente, n'est-ce pas, de ce qui va prévoir loi dans les autres régions du Niger. C'est une loi purement nationale. Et vous n'êtes pas sans savoir que 92 de nos compatriotes ont péri, n'est-ce pas, dans ce trafic-là, en voulant regagner l'Algérie. Vous n'êtes pas sans savoir que cette situation-là, plus que jamais, nous a, nous a interpellés par rapport aux questions de dignité humaine, par rapport aux questions de droits humains. Et ces gens, ils ont péri par la faute justement de ces passeurs, de ces transporteurs qui s'adonnent illégalement à cette activité. Donc cette question nous a beaucoup interpellés et a été le déclic, n'est-ce pas, qui nous a amené à prendre la loi 2015-036, n'est-ce pas, pour préserver les vies humaines, comme je l'ai indiqué. Donc on ne peut pas faire du trafic n'importe comment. Il faut qu'il y ait une réglementation. Et nous sommes un État de droit. L'État doit prendre quand même des dispositions, n'est-ce pas, pour prévenir ces genres de comportements qui, euh, au-delà, par exemple, euh, du comportement purement commercial ou économique, n'est-ce pas, c'est anti-humain. Voilà. Ce sont ces conditions qui nous ont amenés, et bien avant la crise migratoire en Europe, bien avant le sommet de la Valette, le Niger a pris des dispositions, n'est-ce pas, pour rendre illicite cette immigration là Parce que non seulement les vies humaines ne sont pas préservées, mais aussi l'insécurité s'agrandit. Et il faut que quelqu'un traite cette affaire-là. Ça ne peut être que l'État du Niger. Le taux de chômage a augmenté à Agadez à la suite de ces interdictions et la fermeture de certains sites orifères. Qu'est-ce qui est fait pour ces jeunes Vous savez, Agadez, traditionnellement aussi, c'est une région de tourisme. Donc il n'est pas étonnant justement de voir nos frères d'Agadez s'engager dans une activité de, transport des migrants. Et c'est à juste titre. Mais seulement je vous dis, il y a des signes qui sont inquiétants pour l'État, qui sont inquiétants pour nous, qui sont inquiétants pour la permanence de l'État, pour la sécurité. Donc c'est ce qui a fait qu'en tout cas l'État a pris des dispositions, n'est-ce pas, pour faire voter cette loi-là qui est venue réglementer cette activité de migration illicite. Effectivement, ces gens, compte tenu de la mise en œuvre de la loi, ce n'est pas sans conséquence. Beaucoup ont perdu en tout cas, les véhicules, beaucoup, en tout cas, n'arrivent pas à avoir des activités. Mais nous avons à un moment ou à un autre sensibilisé cette frange de notre population-là qui a accepté vivement, en tout cas, de, de, respecter et faire respecter la loi 2015-036. En échange, il y a eu un plan de reconversion, en tout cas au niveau de notre région d'Agadel et c'était beaucoup de projets qui ont été mis en œuvre pour permettre à ces jeunes-là, n'est-ce pas, d'avoir en tout cas du travail, d'avoir des retombées, n'est-ce pas, pour s'adonner à d'autres activités, à et place de la migration devenue illicite. Autre aspect, dans la ville d'Agadez, l'on remarque la forte présence de réfugiés. De qui s'agit-il et pourquoi sont-ils ici Les réfugiés sont essentiellement des Soudanais. Et ce sont des demandeurs d'asile, essentiellement soudanais. Il y a quelques Tchadiens parmi eux. La situation est assez claire, si je peux le dire, tout simplement parce que, un moment ou à un autre, en tout cas, on a eu quand même une crise relativement à leur arrivée. Donc il y a eu beaucoup de soucis sociaux, mais heureusement, en tout cas, l'État dans sa vigilance a permis la création, n'est-ce pas, d'un site humanitaire, n'est-ce pas, qui est géré donc comme un accord entre notre direction d'état civil et les HCR. Donc ce site qui abrite actuellement les Soudanais nous permet justement de les contenir n'est-ce pas, et de contrôler leurs mouvements, n'est-ce pas, et de les avoir, euh, comme on dit, dans un endroit unique qu'il laissait éparpillé, n'est-ce pas, dans toutes les rues de la ville d'Agadez avec tous les désagréments que cela nous crée. La présence de ces réfugiés, Monsieur le Secrétaire général, fait grincer des dents au sein de la population d'Agadez. Que dites-vous à ces populations D'accord, donc mais il faut quand même relativiser, relativiser un peu cette façon de dénoncer. C'est vrai, au départ, il y a eu beaucoup de frustration parce que vous savez, quand des cultures se rencontrent, nécessairement, il y aura des petits soucis il y a eu effectivement des soucis. Donc, euh, mais fort heureusement, il y a eu un forum quand même, euh, un forum euh, de la migration mixte qui a déraigné l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, tant locaux, n'est-ce pas, qu'au plan national et qui nous a permis en tout cas d'assouplir cette situation-là n'est-ce pas, et d'amener nos frères d'Agadez à conserver justement leurs valeurs leurs traditions de solidarité et leurs traditions d'accueil. Ce forum-là a pu aplaner beaucoup de difficultés et actuellement, on peut dire qu'il y a une parfaite coexistence en tout cas entre euh, ces différents groupes sociaux. Nous passons la parole à Boutali Chiwaren, qui est membre du comité de paix d'Agadez. Monsieur Boutali Chiwaren, présentez-nous brièvement le comité de paix d'Agadez. le comité régional de paix, nous l'avons créé en 2014, au moment où il y a eu les, conflit entre Touareg et Toubou au niveau, de, au niveau des Oubari. C'est pour euh, prévenir un peu, il ne faut pas que ça, déborde vers le Niger, parce que c'est les mêmes communautés. Nous avons des Touareg à Oubari, nous avons des Toubou aussi à Oubari, et nous en avons aussi au Niger. Donc on a créé ces qui renforment toutes les communautés de la région, donc les Touaregs, les Toubou, les Arabes, pour un peu prévenir ce conflit et essayer encore de trouver des solutions. Ça a beaucoup marché quand même, on a, eu des résultats vraiment très positifs. Qui et qui sont représentés dans ces comités D'abord, le comité, c'est un décret du Conseil régional qui l'a créé. Le président du Conseil régional, c'est le président du, comité. Et le sultan, c'est le président d'honneur. Et tous les élus sont d'office euh, membres. Donc les, les élites, cest à dire que les, conseillers communaux, les conseillers régionaux, les députés. Maintenant, on a une grande panoplie de, leaders de la région qui font partie aussi. Donc à l'époque, on était à 109 membres du comité. Euh, on a des sessions presque trois fois par an comme ça des, réunions. Mais on a aussi des, des sessions exceptionnelles quand il y a un problème qu'il faut gérer, on se réunit. Quand vous dites à l'époque, vous êtes, il y a 109 membres, est-ce à dire qu'avec le temps, il y a des membres qui ont quitté le, comité j'ai dit à l'époque, c'est au moment où on l'a créé. Mais après ça, on a eu d'autres membres qui se sont ajoutés euh, au bureau et nous avons créé aussi des sous-comités aussi dans, chaque commune qui vont. Donc on a des membres qui sont pas a qu'on a responsabilisés pour créer des sous-commissions Comité dans les autres communes aussi. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui on représente presque presque 500 personnes comme ça qui sont actifs vraiment, qui sont dans le comité. Mais il y a un petit bureau permanent qui est là, que je gère, c'est moi qui au niveau du conseil régional. Donc euh, on est reconnu au niveau national aussi. quelle est la méthode de travail de ce comité régional de paix Sur quoi euh, ce comité met l'accent bon, C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'État, avec le gouvernement concernant tout ce qui concerne la consolidation de la paix, mais c'est vraiment un comité régional. Donc dès qu'il y a un problème, un conflit dans la région, on se réunit vite et on essaie de trouver des solutions. Donc on a vu que la région d'Agadez, ces derniers temps, on voit de certaines attaques euh, sur, des axes routiers, souvent euh, qui sont soldés même par des morts d'hommes. Est-ce qu'on sait euh, qui sont ceux qui font ces attaques Ce sont des nationaux ou euh, des expatriés. C'est vrai que depuis la chute de la Libye, il y a eu beaucoup de trafic d'armes. C'est vrai qu'on a, on a, eu la chance, il n'y a pas eu de problème comme au Mali pour euh, réveiller de la pour une création d'une rébellion, mais il y a quand même beaucoup de passages. Le Niger, c'est un grand territoire, et le nord surtout, qui va du Tchad jusqu'au Mali, qui va de la Libye jusqu'à au Nigeria presque, jusqu'à la frontière euh, de, la région des Anders. Donc vraiment, c'est un terrain très vaste et beaucoup de choses passent par là. Maintenant, après, il y a eu l'or aussi, la découverte de l'or. Donc il y a eu tout un arsenal de, trafiquants et de malfaiteurs, des de hors-la-loi des pays à côté qui sont venus dans la zone pour chercher de l'or et en même temps ils sont armés. Vraiment, c'est un terrain qui, faut se dire la vérité, l'État n'a pas les moyens de, surveiller ce territoire. C'est vraiment très vaste. Et c'est vrai qu'il y a aussi, on ne peut pas dire qu'il manque, il n'y a pas de complicité aussi. Parce qu'il faut connaître ce terrain. Les gens ne vont pas se hasarder là sans qu'il y ait de complices aussi. Donc c'est sûr qu'il y a des complices qui les amènent là, mais ça fait depuis 2014, nous avons beaucoup signalé 2015 la présence en gros nombre de gens qui sont lourdement armés sur notre, euh, sur notre territoire. Et ces, personnes-là, en majorité, c'est des étrangers. C'est des pays voisins. On n'a rien, n'a pas de problème avec les pays voisins, mais quand ils sont là pour euh, en paix, pour euh, une vie normale comme partout, c'est l'Afrique, c'est pour tout le monde, même pas l'Afrique, même <laughs> les, citoyens du monde peuvent venir. S'ils sont là en paix, il n'y a pas de problème. Mais quand ils viennent avec des armes, quand ils viennent avec des armes, ça dépasse. on ne peut plus les supporter. Donc on a plusieurs fois tiré la sonnette, on a prévenu l'État, mais malheureusement jusqu'à présent, ça ne marche pas. Il y a toujours cette présence de, des éléments armés, en plus des trafics de drogue, il y a aussi des, bandits qui sont résiduels aussi, qui sont dit, c'est cela, ils sont dit, bon, la pauvreté aussi, au manque d'emploi. Ça veut dire qu'en dehors de, de ceux-là qui viennent des autres pays, il y a aussi quelques, quelques personnes, en tout cas, qui sont, même on peut dire, qui sont des Nigériens, qui, euh, pour certaines circonstances, euh, euh, se retrouvent dans, dans, ces situations à raqueter ou à attaquer les citoyens nigériens aussi. On ne peut pas dire que c'est une, euh, une raison, mais quand même, la pauvreté a beaucoup euh, contribué à ce banditisme résiduel. Ces banditisme existe, on peut plus dur qu'il n'existe pas. On a fait beaucoup au comité de paix, on a, on a organisé des forums, on a essayé de sensibiliser en passant par les élus, par les communes, mais aucune solution. ce n'est plus c'est plus quelque chose qu'on peut gérer avec des, forums ou des choses. ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec les forums, ils n'écoutent même pas les forums. Il faut passer par une autre méthode qui est la création d'emplois d'abord. Bon, l'État n'a pas tellement aidé parce qu'avec la, fermeture de Jadot, avec la fermeture du Mourarène avec euh, cette loi de l'immigration là qui interdit l'immigration aussi, donc tout ça là, ça amène qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans emploi. Il y en a qui sont diplômés, il y en a qui ne sont pas diplômés. Moi, la majorité, c'est la jeunesse d'Agadez, la majorité ne sont, pas, ne sont pas allés loin dans les études. Et malheureusement encore, ils connaissent beaucoup les armes. Avec les deux rébellions qui sont passées, surtout la dernière, il y a eu beaucoup de, de gens qui sont revenus et sans aucune contrepartie, ils sont là, ils sont revenus comme ça, plus de 5000 personnes qu'on a ramenées dans les années 2010, ils sont là, ils sont dans la région, sans emploi, et ça a vraiment contribué à la création de toute cette histoire de, banditisme résiduel. Par rapport à la prolifération des armes, qu'est-ce que le comité de paix fait On essaye toujours de faire la sensibilisation. le, comité de paix n'a pas d'autre arme ou bien euh, solution que la sensibilisation la sensibilisation. Donc on n'a pas d'autre chose. On, on, fait la sensibilisation à, nos populations, à l'intermédiaire des communes, de la jeunesse, des femmes. Tout ceci-là, ils sont représentés dans les, dans les comités. Donc tout à l'heure, quand on, m'avait demandé la composition, il y, a les, associations des femmes, il y a les associations de jeunes, il y a les associations des transporteurs, il y a même ces, les gens, ces acteurs de l'immigration là qui font partie aussi. Donc, c'est par, par l'intermédiaire de tous ces, ces communautés-là qu'on essaie quand même de faire la sensibilisation. Et on continue. Mais je reviens encore pour vous dire que vraiment, il y a une grande barrière entre ces trafiquants ou bien ces malfaiteurs ou bien ces hors-la-loi avec toute cette histoire de sensibilisation ou bien forum, tout ça. Ils, ça, ça, passe, même, ça n'arrive même pas à, leur, à leurs oreilles. <laughs> Donc, euh, ils sont là, ils font leur travail euh, à côté, parallèlement ils, attaquent les pistes, et ça vraiment c'est surtout les axes. C'est surtout les axes, axe euh, Tawa Agadez, axe Zander Agadez, axe euh, Samaka, axe Tibarakate, Jado, Dirkou... tout ça là, c'est plein de bandits. Et l'État le sait parce qu'on a plusieurs fois remonté le problème, on a toujours bah, plusieurs fois donné des, renseignements, des informations à l'État. Ils sont, ils sont là, ils essayent de faire quelque chose, mais jusqu'à présent, c'est pas ça. Alors aujourd'hui, Comment est-ce qu'à votre avis, on peut arriver à bout de, de, ce genre de, situation Au moins parvenir à sécuriser les principaux axes routiers du pays D'abord, la première chose, chose c'est l'implication des populations locales. Qu'il y ait une confiance entre l'État et les, FDS avec la, la population. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a des jeunes, il faut vraiment que l'État trouve une politique de recrutement aussi de ces jeunes de la, de la zone pour, euh, dans tout ce qui est système d'EF. On a un problème mondial d'insécurité. Donc, on a un besoin d'hommes pour la sécurité. Il faut employer ce jeune-là, il faut recruter ce jeune des de zones pour, euh, pour essayer de sensibiliser les région à travers des, trucs légaux, par exemple la, les FDS, les les gardes nationales, la, police, tout ça. Là. Donc vraiment, il faut qu'il y ait ces recrutements dans les zones même, avec des gens qui connaissent la région, qui, qui peuvent être formés pour sécuriser la zone. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le territoire nigérien est vaste, surtout ce grand nord, le nord euh, du Niger. On sait qu'il y a quelque temps, en tout cas, beaucoup de médias ont fait cas de, de la présence militaire étrangère au Niger, notamment dans ce nord, justement, euh, des bases militaires américaines et françaises. Est-ce que ces, forces euh, n'ont pas justement vocation à aider le Niger à surveiller ce grand territoire D'abord, je vais revenir un peu sur euh, la sécurité et la, situation nigérienne dans cette sécurité. Le, Niger, je dirais vraiment, Dieu merci, on n'est pas comme les Mali, on n'est pas comme même les Burkina aujourd'hui, le Nigeria, le Tchad et la Libye aussi. Ils sont vraiment d'autres cas d'insécurité. Je dirais qu'il y a un calme précaire au Niger. Même avec l'insécurité dont on parle, des, des, banditismes résiduels ou bien des trafiquants, avec tout ça, le nord du Niger, ça va un peu. Mais cette, euh, cette, histoire de, forces étrangères, ça c'est comme la loi de l'immigration. Ça, ça, a été décidé, accepté par notre État. On doit faire avec. Maintenant, ces, forces étrangères, elles sont là pour une chose que l'État connaît, je crois, qu'ils savent pourquoi elles sont là. On ne sait pas exactement, nous, de la population, pourquoi elles sont là, mais l'État le, sait. Bon, on nous dit que c'est pour la sécurité contre tous ces islamistes, les terroristes, tout ça. Là, bon, ça, on ne sait pas. Mais la sécurité d'un État, ça revient d'abord à l'État. Donc, c'est l'État qui doit vraiment assurer la sécurité d'abord. Maintenant, si c'est pour bénéficier ou bien qu'il y, ait des, contrats entre ces forces avec le Niger, ça on ne sait pas. Mais ce qui est sûr que ça a beaucoup diminué. Je parlerai surtout des de trafics d'armes, ou bien des passages de, la Libye vers le Mali, tout ça ça, ça continue à être là, mais grâce à ces forces-là, même les, les, trafiquants de drogue, ça a un peu diminué quand même. ça veut dire que leur présence dissuade certains trafiquants de pouvoir en tout cas circuler librement Peut-être qu'ils ont changé des méthodes, mais ça a beaucoup diminué. Parce que nous, à l'époque, on, va à Tibercater, on voit choses, on les voit, les gens les voient passer avec 60 véhicules, 50 véhicules, je parle surtout de la drogue. Mais aujourd'hui, c'est très rare de dire qu'ils passent, mais des fois, il y a deux ou trois véhicules qui passent comme ça. Ça a vraiment beaucoup diminué. Ça, je parle des du trafic de drogue. Maintenant, il y a un nouveau trafic de drogue, c'est le tramadol là, qui vient du, Nigeria et qui, qui, part aussi encore sur les mêmes terrains. Ça, c'est autre chose, qui utilise d'autres méthodes, mais quand même, je dirais que l'ancien trafic de drogue a beaucoup diminué depuis qu'il y a ces forces étrangères. Maintenant, le reste, ce qui est terroriste mauvaise chose, ça, je ne sais pas. Parce que Agadez, quand même, à part quelques attentats ou bien quelques enlèvements, y a eu dans le temps, c'est un peu calme. En tant que, en tout cas, ressortissant de cette région dans laquelle se trouvent euh, ces, forces, qu'est-ce que vous attendrez de ces forces C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de, moyens. Je pense aussi qu'ils travaillent avec l'État nigérien. Maintenant, ce qu'on attend de, ces forces-là, qu'ils essayent quand même de faire quelque chose quand il y a ces for euh, des forces étrangères qui rentrent, qui peuvent dans notre zone, comme c'est le cas actuellement. Parce que je ne dirais pas qu'ils ne sont plus là. Parce qu'on a des zones, actuellement au Niger, c'est impossible qu'un civil y va là-dedans. Par exemple, la zone, la frontière euh, vers euh, l'Algérie et Mouloulou, là, c'est vraiment plein de, gens armés là-bas. on, le, sait tous. Donc, c'est, toutes ces, choses, je ne sais pas si c'est dans leur cahier de charge, mais ils peuvent quand même aider. Je ne sais pas s'ils le font ou ils ne le font pas. Mais quand même, je sais que l'État aussi demande qu'il fasse quelque chose, mais moi, jusqu'à présent, on n'a pas quelque chose de très palpable concernant la sécurité dans la zone, surtout entre la Libye et le Niger. Tellement on a toujours des, gens qu'on nous signale des fois, qui font des attaques sur la route avec vraiment beaucoup d'armement, de l'armement lourd. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait des attaques ici sur la voie. Donc vraiment. Euh, du côté de la Libye, euh, il y a une impression de vide, c'est ça Il y a, une, une, impression de vide, mais ces gens-là, ils sont rentrés depuis longtemps. Ils ne sont pas rentrés récemment. C'est vrai que tout récemment, c'est un peu difficile de rentrer au Niger. Actuellement, c'est un peu difficile. C'est vraiment très gardé. Mais ces gens-là, ils sont là depuis longtemps. Ils cachent leurs armes, ils font la recherche de l'or, des fois ils reprennent les armes, pour s'attaquer aux gens. Et c'est vraiment des armes très lourdes qu'ils ont. Donc ils sont là depuis longtemps. Mais vous dire aujourd'hui que quelqu'un peut rentrer actuellement au Niger, c'est un peu difficile. Avec beaucoup d'armes, c'est un peu difficile actuellement. Mais ces gens-là, ils sont rentrés depuis longtemps. Depuis presque 4 à, 3 ans comme ça. Ils sont là. Ils sont là. On a, on a, déclaré, on a, on a déclaré leur présence plusieurs fois. Ils se sont confrontés à notre armée il n'y a pas longtemps ici à côté de. Il y a même un officier de l'armée nigérienne qui a perdu la vie. Donc, ils sont là, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont rentrés tout récemment. Donc, euh, mon appel à l'endroit des autorités, c'est d'impliquer les populations locales dans la gestion de la sécurité de la, de la région. L'implication, c'est dans les recrutements, qu'ils fassent des recrutements vraiment massifs et formation sur place. Parce que ici, quand tu amènes quelqu'un à, à chose, tu l'amènes à, Niamey, ton six, mois comme ça, là, il y en a beaucoup qui, qui, qui désertent. Nous, on préfère qu'il y ait des, des centres de formation dans la région, ici sur place, dans la région. Qui est ce jeune-là qui essaye de les, de les mobiliser ici pour faire la sécurité dans la, dans la zone. la sécurité, c'est surtout dans le banditisme résiduel, d'abord, dans la, prévention contre les infiltrations des, bandes armées, de lourdement armées qui viennent des, pays voisins. Maintenant, vers la population aussi, je demanderai aussi à la population de sensibiliser les jeunes. Ce pas une bonne chose de, s'attaquer aux, aux, gens sur les, sur les routes comme ça. C'est Maintenant, il y a autre chose encore, les interventions. Ça, on a toujours demandé au, niveau du comité que ça s'arrête. Par exemple, on arrête quelqu'un avec preuve à l'appui, dans, la main dans les sacs, et dans une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, tu vas le revoir encore ici libre, comme s'il n'a rien fait. Et ça, c'est des, des, interventions vraiment qui ne sont pas qui ne sont pas très bien vues par la population, parce que déjà on est là, on est confronté à un banditisme résiduel, mais des gens font du banditisme qu'on connaît, qu'on arrête, et avec des interventions, on les retrouve encore libre. Quelqu'un que tu connais, qui tu vois, qui un exemple, il y a eu un jeune qui a, attaqué al là-bas, devant, euh, devant tout le monde, avec une arme. Il a été arrêté, envoyé à Niamey. Et ces mêmes gars, à six mois après, il a été arrêté quelque part en train d'être de, sur la piste, en train de braquer des gens. Vous savez, cette personne a été jusqu'à Niamey pour être euh, enfermée. Mais six mois après, on les découvre encore dans une autre attaque sur une voie là. Les mêmes gars encore. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a des gens qui ont été arrêtés avec. Arrêter, c'est là parce que ça peut donner mauvais exemple. prévention là que ça s'arrête. Quelqu'un comprend la main dans les sacs on les laisse à la justice, la justice va faire de lui ce, qui est, ce que la loi dit, ce que la justice dit. Mais les interventions de quelqu'un, d'un malfaiteur, d'un bandit, de quelqu'un qu'on arrête ou bien d'un trafiquant qu'on arrête avec la drogue ou bien qu'on arrête, l'amène dans le sac en train de, de, rançonner des gens. Et après, vous allez le voir, le, encore libre ou bien on va vous dire encore qu'il est arrêté dans une autre affaire encore. Parce que ça s'est passé plusieurs fois ici. Les mêmes gars, dans la même année, on les prend, on les libère, on les ramène, on les reprend, on les libère. Tous les, gens d'Agadez vont vous dire que cette situation n'est plus supportable. Quelqu'un qui a été arrêté dans, dans le sac, vraiment, qu'on le laisse à la justice. Qu'on arrête ces interventions. là c'est les politiques. Les politiques qui les font. Les ministres, les députés, les conseillers, tous ces gens-là qui sont là. Et les partis politiques, ils veulent des voix en passant par ces interventions-là tu fais libérer un malfaiteur pour avoir des bases, pour avoir, la base bien des, gens qui vont élire pour toi demain, c'est pas une bonne chose. D'autres efforts sont fournis par certaines organisations féminines en faveur de la paix et de la sécurité. C'est le cas de l'Association des femmes contre la guerre dont la présidente est avec nous. Il s'agit de Haji Azara Eladj Mamadou dit Alitan. Azara Mamadou, pourquoi avoir dénommé votre association la lutte contre la guerre la lutte contre la guerre, c'est parce qu'on a connu avant la guerre et on a connu après la guerre et pendant la guerre. Donc ce n'est pas du tout à comparer. La paix, elle n'a pas de La paix est mieux que toutes les périodes que nous, nous avons connues ici, ici à Agadez. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que grande sœur, nous nous luttons pour la paix. Dites-nous quelles sont les différentes actions que vous faites pour lutter contre la guerre. Ce qui est à notre possession, c'est surtout la sensibilisation, parce que ça, nous avons quand même les moyens de les faire. On les fait avec des moyens, on les fait sans moyens, on le fait dans les familles, on les fait dans les maisons, dans les villages, dans les campements, partout où nous passons. Notre seul souci, notre seul combat, c'est de consolider la paix que nous avons retrouvée d'ailleurs. C'est quoi vous mettez l'accent On met l'accent surtout sur la comparaison entre la période où il n'y avait pas eu de conflit, où il n'y avait pas eu de rébellion, et la période pendant les rébellions ou après les rébellions. Tout ça, là, c'est des comparaisons comme ça qu'il faut faire. Et nous avons trouvé que ce n'est même pas à comparer. Agadez, depuis avant, c'est lui qui a connu Agadez des années 70, des années 80, et qu'il a connu après la, rébellions. rébellion, il sait que ce n'est pas à comparer à la paix là. Il faut la chercher et il faut la consolider par tous les moyens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a la question de la migration qui a été criminalisée. On sait qu'en tout cas, il y a plein de, circonstances qui concourent à mettre à mal euh, cette question euh, de paix. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous faites auprès des différents acteurs Ça, on va aller dans deux étapes. La première étape, d'abord, on n'a jamais cessé de plaider pour la paix. Maintenant, quand il y avait eu le problème de la Libye, après les problèmes du Mali, après Boko Haram, on a intensifier nos activités. Parce que quand, avec le problème de la Libye, il y a des véhicules qui rentrent, on ne sait avec quoi elles rentrent. Là, nous avons toujours attiré l'attention. Que les véhicules qui rentrent là, il faut qu'on sache avec quoi elles viennent, avec qui elles viennent, qui sont-ils ceux qui viennent. Parce que c'était vraiment un sauf qui peut quoi. Et on voyait des 4x4 qui venaient sans immatriculation, sans ça là. Là, nous avons beaucoup craint qu'il y ait des armes qui rentrent dans notre région. Ça, nous avons toujours attiré l'attention des gens et nous avons tenu aussi à sensibiliser la population par rapport à l'utilisation des armes. Il faut dénoncer quoi En un mot. Dès que vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas avec quoi il est venu, il faut déjà informer nos autorités. C'est une manière d'apporter aussi notre modeste contribution. Maintenant, la deuxième étape, c'est cette affaire des migrations. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent vers nous pour nous dire que leurs enfants ont été arrêtés ou leurs ou leur mari ou ceci. Quand on pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait Carrément, elles nous disent qu'ils n'ont rien fait. Effectivement, pour elles, ils n'ont rien fait. Parce que jusqu'en 2015, la migration, le transport des migrants était une activité légale. C'est après la loi qu'elle est devenue criminelle. Et là, nous, nous avons dit que ce que nous, nous pouvons faire, parce que c'est une loi qui est là et c'est notre loi et on sait que cette loi ne peut pas être à 100% négative. Ceux qui l'ont prise, ils savent pourquoi ils l'ont prise. Parce que la migration, dans son ensemble aussi, on ne peut pas dire qu'elle est à 100% pour Agadez. Comme on ne peut pas dire que c'est un problème aussi pour Agadez. Sur le plan économique, la migration, c'est bon. On n'a pas de problème. Mais sur d'autres points, il y a aussi y un problème. Et nous, nous avons dit qu'à notre entendement, nous, en tant que mères, on peut apporter notre modeste contribution, puisque les femmes viennent vers nous. Il faut qu'on bouge. Et on a bougé. On a, organisé une caravane pour sensibiliser la population par rapport d'abord à l'existence de la loi 036-2015. Il faut que, les gens sachent que cette loi existe et qu'ils la respectent. C'est un droit et c'est un devoir aussi. Elle est là, la loi, il faut la respecter. La première activité que nous avons faite, en tout cas, c'est la sensibilisation de la population. Pour connaître d'abord, pour savoir l'existence de cette loi. Alors, si les femmes viennent vers vous pour se plaindre que leurs maris ou leurs enfants sont arrêtés, c'est quelque part parce qu'elles entendent euh, que peut-être leur mari soit ou leur enfant soit libéré. Est-ce que à ce niveau, vous avez pu obtenir quelque chose On ne peut que faire des plaidoyers. Et le reste, c'est la justice qui s'en occupe. La justice est là, elle a fait son travail. Beaucoup d'entre eux ont été libérés. Le seul problème peut-être qui n'a pas eu de solution, c'est les matériels confisqués, c'est des véhicules. Parce que nous, nous avons dit que ces jeunes-là qui ont été arrêtés, l'activité a été criminalisée, donc elle est arrêtée. On a sensibilisé nous-mêmes les gens pour qu'ils pour qu'ils changent d'activité, qu'ils sachent qu'aujourd'hui cette activité, ce n'est plus pratiquement pas possible de la pratiquer. Donc il faut changer, il faut prendre un. Bon là, les véhicules n'ont pas été restituer. Mais, de l'autre côté, nous faisons partie des associations qui ont eu les financements de la haute autorité. C'est un financement AGAPER, l'Union européenne, à travers la haute autorité. Et nous, nous avons à la consolidation de la paix. Et nous, nous avons géré, nous avons géré les volets mère et épouse. On a eu à donner 30 femmes à qui on a demandé ce qu'elles peuvent faire comme activité génératrice de revenus. Et elles ont choisi leurs activités. On a, avec la haute autorité, on a fait des choses. Il y a un groupe de 30 femmes dans un premier temps. On ne sait pas, on pense qu'il y aura un deuxième groupe. Mais les 30 femmes, quand même, ça fait, ça fait du bien. C'est des kits qu'on a remis. C'est un équivalent de 693 800, quelque chose comme ça, c'est qui par femme. Et je sais que Ici, il y a des femmes qui ont reçu jusqu'à 22 têtes. 22 têtes de brebis, moutons, euh, chèvres. Il y en a qui ont reçu des vaches, celles qui ont reçu des vaches, elles ont reçu trois vaches, plus des enveloppes pour les démarrages et euh, pour l'entretien. quoi. Comment 30 femmes, ces 30 femmes ont été choisies D'abord, nous, nous avons travaillé avec les acteurs de la migration. Eux-mêmes, nous, nous avons préféré, au lieu de d'appeler, de faire des propositions, appel à, soumission, soumissionner, soumissionner. Nous, nous avons dit que là, on risque de tomber dans une erreur et surtout que c'est un dossier très délicat. Ces gens-là qui étaient déjà fougués, fougués, fougués, ils ont perdu leur activité. La moindre des choses, ils peuvent faire des scandales. Nous les avons appelés eux-mêmes. On a dit, venez, on va travailler. Voilà un projet. On nous a donné la latitude de choisir 30 femmes, mères et épouses des acteurs de la migration. Maintenant, proposez-nous 30 femmes. C'est à, vous de, nous proposer. Donc on a travaillé avec eux. Maintenant, après la sélection de ces femmes, nous avons dit au mari, vous, votre travail, il est fini. Vous, vous avez fini votre travail, vous avez, nous avons les noms de vos épouses, donnez-nous leur contact. On les a contactées, elles sont venues et euh, on, a demandé à chaque femme d'aller réfléchir, nourrir quel travail elle peut faire. C'est à elle de le faire parce que ce n'est pas les maris qui doivent gérer cette fois-ci. Maintenant que nous avons vos contacts, on va travailler avec vous. Dites-nous, toi, qu'est-ce que tu veux faire Il y en a qui ont dit qu'elle préfère avoir euh, l'élevage. Elle c'est l'élevage des chèvres, des moutons, des vaches. Il y en a qui ont dit des frigos. Il y en a qui ont dit beaucoup de choses en tout cas. Ces femmes, en gros, ce sont les, les, épouses des, des, gens qui étaient dans la prestation de la migration, la migration qui ont. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que aussi ce sont des femmes, parmi elles se trouvent des femmes de, personnes qui seraient en prison Bien sûr que oui, bien sûr. Pas toutes, pas toutes. Il y en a qui ont été libérées, il y en a qui il y en a qui sont, qui n'ont même pas été arrêtées, mais ils sont acteurs de la migration. Alors aujourd'hui, on voit qu'autour d'Agadez, ou souvent même dans, certains axes routiers, il y a des attaques qui sont à main armée sur les axes routiers qui sont euh, signalés ça et là. Euh, d'abord, pour vous, qu'est-ce qui cause ça et puis comment est-ce qu'on peut mettre fin à ça Moi, personnellement, pour moi, les attaques à main armée, là, c'est des choses qui doivent être arrêtées. On doit penser à autre chose. On doit penser au développement de notre région. Et personne ne peut développer cette région à notre place. Et personne aussi ne peut développer cette région avec une arme à la main. Ce n'est pas possible. Il faut bannir cette affaire d'armes-là. Il faut bannir cette affaire de vol, cette affaire d'attaque. Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nos enfants. Ce n'est pas bon pour les pays même. Et même pour notre dignité, pour notre honneur. Ça, vraiment, il faut mettre fin à ça. Et pour mettre fin à ça, les gens, ça c'est ce que disent les gens, disent qu'il faut les occuper. Et je suis pour ça. Il faut occuper ces gens-là. Ils n'ont rien à faire maintenant. Même si, moi personnellement, ça c'est mon avis personnel. Pour moi, parce qu'on n'a rien à faire n'explique pas qu'on attaque un, un paisible citoyen parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de travail, parce que pour moi, ça ne s'explique pas. Ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas la bonne explication. Mais comme c'est la majorité qui le dit, j'accepte que ça soit comme ça. Donc ces jeunes-là, ils le font parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de, ils ont des familles. La plupart d'entre eux sont, des pères de famille. Ils se réveillent des bonheurs, ils n'ont rien. Les enfants sont là. La, euh, madame est là. et puis ils ont besoin aussi de vivre. Donc, euh, vraiment, il faut les occuper. À un moment donné, il y avait cette affaire d'Imouraren. Imouraren arrêté. C'est fermé. Il n'y a plus rien à faire à Imouraren. C'est fermé. Le site orifère. Yado est fermé. Les gens se sont retrouvés. Sans parler de la de l'activité principale que j'ai oublié de citer, qui était le tourisme. Quand il y avait le tourisme, personne ne regardait personne. Les gens, tout le monde était occupé. Qu'est-ce qui s'est passé avec le tourisme Avec le tourisme, ce qui s'est passé, c'est que Agadez est déclarée comme zone rouge. Et une fois que zone rouge, les touristes ne peuvent pas venir. Là aussi, nous avons fait des plaidoyers, nous avons toujours dit que, on a déclaré Agadez zone rouge, là, il faut faire quelque chose pour Agadez. Ça, ça concerne surtout les femmes, les artisans qui sont là, les bijoutiers qui sont là. Mais si, on déclare Agadez zone rouge et que les touristes ne viennent pas, faites quelque chose pour Agadez. Organisez, il y a des foires qui se tiennent un peu partout. Au moins, faites en sorte qu'Agarès soit représentée dans ces foires-là. Parce qu'Agarès, aujourd'hui, même si les femmes-là qui veulent, qui, le faire, même si elles veulent le faire, elles n'ont pas les moyens de le faire. Au moins, 10 billets, 10 billets, prise en charge, amenez-les. Elles vont aller avec euh, ce que les autres ont produit, là. Cinq femmes ou. Euh, voyez quoi. Au moins qu'elles se fassent représenter leur permettre d'aller vendre leurs, bijoux, parce qu'on a déclaré Agadez zone rouge. Et c'est la fin du forum de ce soir sur migration et sécurité à Agadez. Nous retenons que la région d'Agadez en général et la ville en particulier se trouvent confrontée à plusieurs défis, notamment sécuritaires, migratoires et des défis en termes d'emploi. Les chômages ayant gagné du terrain avec la loi 2015-036 sur le transport des migrants, la fermeture des sites orifères et uranifères de Djado et d'Imouraren les projets de reconversion des ex-passeurs n'ayant pu couvrir que 6% des effectifs de 6567 personnes. Même si des efforts sont faits, beaucoup reste à faire en termes de création d'emplois. Et pour la sécurité, l'implication et le renforcement de la confiance entre forces de sécurité et population est suggéré par nos invités. Nous étions avec euh, El Hadja Taher Adamou, secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, Boutali Chiwaren, membre du comité de paix d'Agadez, et Hajia Zara El Haj Mamadou, dite Alitan, présidente de l'Association des femmes pour la lutte contre la guerre, Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation.